auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans cette première émission de la semaine du Niger sur Kalangu de ce lundi 30 juin 2024. Où que vous soyez, nous vous remercions pour votre fidélité. Je suis Rabia Mekano, à mes côtés j'ai Mariam Adé. La technique est assurée par Moussafa Ayouba et à l'édition nous avons Moussa Hassan. Bonjour Mariam. C'est comment tu vas bien Ça va, Alhamdulillah. Alors, quel est le programme du jour bah, Mariam, nous avons préparé un programme époustouflant qui ne manquera pas de retenir l'attention de nos auditeurs. Nous commencerons avec un flash d'informations suivi d'un cocktail musical mettant en avant la musique nigérienne. Ensuite, nous, aurons du loti avec le desk à du studio Kalangu, suivi d'analyses sportives de notre chroniqueur du jour, Adam Sariou, sans oublier la culture linguistique. Toujours dans ces menus dans la rubrique invitée du jour, nous recevons Dr Amtelaï Sissé Diop, elle la directrice de la clinique Afoua. Avec elle, nos échanges apporteront évidemment sur la santé, notamment la campagne Octobre Rose qu'elle prépare activement un mois consacré à cette lutte du cancer des seins. Dans la rubrique Éco des régions, nous irons à Zender pour parler de Sarki Matassa, intronisé le 7 mars 2024. C'est avec les messages vocaux de nos auditeurs que nous allons clore cette édition. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable à notre compagnie. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Dr Ramtoulaye Sissé Diop, directrice de la clinique Afwa. Bonjour madame. Bonjour, madame Ramatoulaye. Bonjour à vous. Bonjour. Mais avant de donner la parole, écoutons d'abord les premiers titres de notre playlist. C'est parti avec les titres Guida. ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar ya bar ya bar ko babbar gida gida ya bar ya bar ya bar shi gidanmu ya yi gidanku ƙasanmu ta yi ƙasarku komi kun ka zo da shi mu yi ku kwanciyar hankali babu kamar mu kun ga wasan tabas ta kata haɗa kanmu Nijar kasanmu kasanmu mu so gida mu so junanmu mu san daya mu gina kasanmu ice ta mu komi ya kasance babu kamar ta a wurin mu ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi dan babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ga sako kashe ka gaya musu ka ce musu mu ne yan Niger. hallon mun dauni ya sauyawa ni yadda za mu sa kasan ta ci gaba koma ya kai mu ba da rayuwar mu saboda kasan mu in mu aiki kasan mu za ta gyaru domin kanmu saboda gobe ne ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane saboda gobe ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane kowabbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowabbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowabbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowabbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi haji zance wannan kiɗi na 'yan nijar ne nijar ƙasa mai albarka ƙasar da wadda babu kamar ta al'adunmu gafa mu manta buzaye ko hausawa bare bari har da tubawa hillani da zabarmawa larbawa ko gurmawa sani ya kasan mu za ta ci gaba mu bar shayayya wata ran samu dariya mu aiki sosai kasan mu za ta wadata kai kasan mu za ta wadata kai kasan mu za ta wadata kai kai kai kasan mu za ta wadata kai kai kai kasan mu za ta wadata kai kasan mu za ta wadata ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi kowar gida gida ya bar shi ya bar shi ya barshi shi hankali Voilà, chers auditeurs, c'était le titre guida de l'artiste Mistakala. Passons à présent flash d'information avec euh, Abdraman. Bonjour Ruki. Bonjour les filles. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la traduction sous le thème Traduire tout un art à protéger. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Hier à Niamey a été lancée la journée de salubrité publique généralisée de chaque dernier dimanche du mois. Présidée par l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanké, l'administrateur délégué accompagné de ses plus proches collaborateurs, mais aussi de tous les directeurs des secteurs centraux de la ville de Niamey, ont visité les sites comme l'aéroport au niveau du grand marché de bétail, la déventure de la cour de cassation, la matière Isaac Gazobi, les alentours de El Nasser, euh, le quartier Combo, les alentours de El Nasser, je l'avais dit, et le quartier Combo de l'arrondissement communal Niamey 2, l'hôpital général de référence et au quartier Bassoura. Enfin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Sangare, a conduit cette année la délégation du Niger à la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, rapporte le service de communication du dit ministère. En marge des travaux de la session de haut niveau de l'Assemblée générale, la délégation du Niger a participé à plusieurs événements parallèles, notamment euh, la réunion des ministères, des ministres des Affaires étrangère de l'Organisation de la coopération islamique OCI, couplée à la réunion d'urgence de la Ligue arabe qui a pour objectif de débattre de l'escalade militaire de l'État israélien en Palestine et au Liban. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci bien, tout Passe une excellente journée. Merci. Revenons à notre invité qui est avec nous dans ce studio. Cher auditeur, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Dr Ramotoulaïsi Diop. Elle est directrice de la clinique Afoua. Bonjour docteur, merci de nous honorer de votre présence. bonjour. Bonjour et merci à vous pour cette invitation. Alors, attaquons euh, notre première question. Parlez-nous d'Octobre Rose, une politique que vous portez. Effectivement, Octobre Rose, ça fait la quatrième année qu'à la clinique, nous organisons cette campagne, euh, cette campagne euh, mondiale. En fait, Octobre Rose et ça a été lancé en 1985 pour informer, sensibiliser et pousser le dépistage du cancer du sein. C'est également un mois qui est dédié à la collecte de fonds pour permettre ailleurs, dans certains pays, de d'aider à la recherche pour faire avancer la prise en charge du cancer. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Octobre Rose, c'est un événement mondial qui est organisé au Niger à l'instar de tous les pays. Plusieurs structures le font, les structures publiques, les structures privées, et on se mobilise tous pour porter cette cause. Et euh, vous l'avez dit, euh, ailleurs, c'est des collectes de fonds. Ici au Niger, qu'est-ce qui se passe Comment se passe Octobre Rose au Niger Octobre Rose ici au Niger est essentiellement tourné sur l'information et le dépistage. La mission première, c'est vraiment d'inciter les femmes à se faire dépister parce que nous savons tous que un cancer dépisté à temps, c'est un cancer qui se soigne très bien. Là, il y a des nouvelles euh, euh, il y a de nouvelles actions qui commencent à être menées. Nous, par exemple, à la clinique, cette année, on va organiser un marathon pour faire une levée de fonds qui va aider à la prise en charge des malades atteints du, cancer. Aujourd'hui, on aimerait savoir quelles sont les avancées enregistrées grâce aux Octobre Rose sur les plans internationaux et locaux Comme je vous le disais, sur le plan international, ça a permis de sensibiliser presque tout le monde à la réalité du cancer du sein. Et ça permet aux femmes d'aller se faire dépister. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du dépistage. Ça permet également, c'est une cause qui est prise en charge par des fondations, par des laboratoires, et ça permet de collecter des fonds qui permettent de faire l'avancée sur la recherche en termes de diagnostic et de traitement. Et euh, qu'en est-il de, ce dépistage Y a-t-il des avancées euh, enregistrées localement grâce euh, aux Octobre Roses Oui, parce que là maintenant, toutes les structures se mobilisent. C'est devenu un combat de toutes les structures publiques et privées pour sensibiliser les femmes et inciter au, au dépistage. Donc, d'année en année, on a de plus en plus de femmes qui se font dépister. Alors, comment peut-on définir les cancers du sein et quels sont les signes du cancer le cancer, pas seulement que du sein, c'est une multiplication anormale de cellules. Vous savez que notre organisme, on fabrique des cellules, on les élimine. À un moment, sans qu'on ne sache pourquoi, les cellules vont se mettre à se multiplier de façon anarchique et vont constituer une tumeur qu'on va appeler de façon plus commune une boule. Donc, un des signes, ça peut être donc cette tumeur, donc cette boule qui va être constatée. Il y a d'autres signes qu'on va voir apparaître. Ça peut être rien qu'à l'observation, un centime, une sensation ou un, une peau d'orange qui va se manifester dans le sein. Le sein va se mettre à ressembler à une peau d'orange. Donc, il y a la peau d'orange. Le sein peut être rouge, augmenté de volume. Le sein peut être douloureux il peut y avoir des écoulements en dehors du mamelon. On peut remarquer des ganglions dans les aisselles. Ça, c'est autant de signes qui doivent amener la femme automatiquement à aller en consultation chez sa sage-femme ou son gynécologue. Nous allons poursuivre cet entretien avec vous, mais euh, il est de tradition pour nous de marquer une petite pause entre les deux, euh, voilà, les deux phases de l'entretien. Nous allons en musique cette fois-ci avec euh, Dunguri Hauru de Feu Shebu Ayeru. ikalei e eh? mantai bai mantai bai iri kwa itera iri kwa inoyo mo kangana no iri kwa itera kangana te baira kangaiga wani aisatu kana imachabe Alors, c'était le titre d'Unguri Hauru de Feu Shaibu Dans cette chanson, l'artiste chante euh, les vertus du niébé, une céréale longtemps négligée euh, au profit du mil, du riz et du maïs au Niger. Voilà, il cite les vitamines euh, et il demande, il exhorte les populations à aller vers cette céréale qui est vraiment bénéfique. Alors, nous allons poursuivre notre entretien avec Dr Ramatoula Sissé Diop tout à l'heure, vous parliez de, des signes, des manifestations du cancer du sein. Est-ce qu'on peut en savoir plus euh, oui, euh, je vais vous repréciser effectivement les manifestations. Donc, je vous disais que la première chose à laquelle il faut être attentive, c'est la, la présence d'une boule ou d'une tumeur dans le sein. En dehors de la boule, on, il faut que chaque femme apprenne à faire son autopalpation, donc pour détecter une boule, elle pince son mamelon pour voir s'il y a un écoulement qui peut sortir parce qu'en dehors de la lactation, tout écoulement au niveau du sein est suspect. Donc, il y a l'aspect peau d'orange que j'ai souligné tout à l'heure et il y a également la recherche éventuellement de ganglions sous les aisselles. Euh, on a longtemps parlé de, certains produits à éviter, euh, comme les déodorants, est-ce que est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces produits euh, qui peuvent être à l'origine d'un cancer du sein, du euh, quotidien qu'on utilise Ces produits ne sont pas typiquement à l'origine d'un cancer du sein. Effectivement, il a été démontré que par exemple dans tout ce qui est déodorant, il peut y avoir des substances qui sont irritatives et qu'il faudrait mieux les éliminer. Mais le cancer du sein, c'est une conjonction de facteurs qui vont entraîner au développement du cancer du sein et malheureusement le la première conjonction de facteurs, c'est le fait d'être une femme tout simplement. Ouais. Alors, on aimerait savoir quels sont les facteurs du risque. Euh, y a, les facteurs du risque, c'est premièrement l'âge. Parce que plus on vieillit, plus on a un risque de développer un cancer du sein. Parce qu'effectivement, avec l'âge, les cellules ont tendance plus ou moins à faire n'importe quoi, si je peux le dire comme ça. Mm. Ça, c'est le premier facteur de risque. Il y a l'obésité malheureusement, qui reste, qui, qui rentre en compte. Il y a le manque d'activité sportive qui rentre en compte il y a les facteurs nutritionnels, une mauvaise alimentation, l'excès de, l'excès de viande rouge, euh, les aliments chauds. Il y a plusieurs facteurs qui concourent en réalité sans qu'on en détermine un isolément. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'âge. Quelle tranche d'âge peut être la plus touchée par le cancer du sein, en tout cas ici au Niger, celle que vous rencontrez le plus Au Niger ou dans le monde entier, la tranche d'âge la plus touchée, c'est 50 ans et plus. C'est bien pour cela que dans les pays à haut revenu, on a mis en place un système de dépistage systématique après 50 ans par la mammographie qui se fait tous les deux ans. C'est un examen qui est coûteux. C'est pour ça que nous, ici, on table plus sur la technique d'autopalpation qui permet à chaque femme de pouvoir déterminer à un stade précoce l'existence ou non de tumeurs dans le sein. Le cancer du sein aujourd'hui touche uniquement les femmes euh, Enfin, je ne dirais pas que le cancer touche uniquement les femmes, mais c'est vrai que on le rencontre plus, plus fréquemment chez les femmes. Les hommes ont des seins c'est parce que les hormones qu'ils ont ne permettent pas le développement du sein. C'est pour ça qu'on ne va pas rencontrer énormément de cancers chez les hommes. Mais par contre, malheureusement, le cancer du sein existe chez l'homme. Il faut en avoir conscience, même si c'est une fraction minime des cancers que l'homme peut représenter. Qu'est-ce qui bloque le plus dans cette lutte que vous menez Que ce soit euh, pendant les Octobre Roses ou après aujourd'hui les plus gros défis que vous, a, que vous affrontez dans cette lutte euh, Je vous remercie pour cette question parce que tout va tourner autour de ça. La première, premier obstacle, je pense que c'est la non-connaissance. Notre objectif, c'est vraiment de toucher le maximum de femmes et de leur expliquer qu'un simple examen qu'elles peuvent se faire par elles-mêmes peut permettre de diagnostiquer à temps une lésion et prendre en charge. Une femme dont la, le cancer est diagnostiqué à temps va avoir une survie de plus de 90% à 5 ans, c'est-à-dire la même survie que vous et moi allons présenter. Donc, c'est vraiment la communication, communiquer autour de ça, faire le dépistage en masse, c'est la principale action qu'il faudrait mener. Oui. si vous permettez, vous m'avez mhm. parlé de qu'est-ce qui bloque également. Oui, qu'est-ce qui bloque Et le cancer, quand on prononce le mot cancer, c'est un mot qui fait peur. Pourquoi il fait peur Parce que justement, on se retrouve à des stades où, malheureusement, quand on voit la patiente, c'est à des stades avancés avec des mutilations. Donc, la non-connaissance, le fait que diagnostiquer tôt peut permettre de vivre bien, je pense que c'est le message clé à faire passer pour lever cette peur du cancer et de dire également que le cancer, c'est une maladie comme tout autre. Ce n'est pas une maladie comme on dit Nadagini. Non, c'est une maladie comme tout autre. Alors, une dernière petite question pour la route. Est-ce que Octobre Rose, euh, pourquoi Octobre Rose touche uniquement le cancer du sein Ou euh, voilà, pourquoi autour du cancer du sein parce que, comme je vous ai expliqué, c'est une cause internationale. Vous savez qu'il y a des mois qui sont dédiés. Effectivement, le cancer du sein, c'est Octobre Rose. Nous, par exemple, à la clinique AFA, en dehors du dépistage du cancer du sein, on a accolé le cancer du col parce qu'on s'est dit, une femme qui vient pour son cancer du sein, c'est une opportunité que nous allons saisir pour faire son dépistage du cancer du col. Et j'invite tous nos confrères, tous nos collaborateurs à avoir le même réflexe. Quand elle est là, faisons ce qu'on doit faire. L'autre. Ok, merci bien docteur. Merci infiniment. On vous souhaite beaucoup de courage pour cet octobre qui vient de, commencer. Alors, euh, nous vous souhaitons un bon vent également. On fait une petite pause et on se reprend juste après. Merci à vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Rabia Mekano et Mariam C'est l'heure pour nous d'attaquer notre rubrique hebdomadaire, Mariam. Oui, Rabia, nous sommes lundi. Aujourd'hui, nous allons parler des justices. Euh, oui, on parle oui, vas-y, Mariam. Exactement. Je mêle un peu les pinceaux là. Mhm. Exactement, Mariam. Et le magazine d'aujourd'hui parle de l'exécution sommaire ou extrajudiciaire. Elle est strictement interdite par le droit international en période de paix comme en situation de conflit. Pour en savoir plus sur cette infraction, Anissé Karim s'est entretenu avec Omar Gajere Bilal, substitut du procureur après le tribunal des grandes instances d'Agadez. Écoutons. L'exécution sommaire, en fait, est euh, une exécution donc euh, commise immédiatement sur une personne après avoir été accusée d'un crime sans procès équitable, généralement juste après sa capture, donc euh, sur la base d'une accusation, euh, l'exécution s'ensuit ou l'exécution menée pendant une très courte période euh, sans que en fait il n'ait été eu ou donné le temps vraiment d'avoir un procès judiciaire équitable. C'est pour dire que ça rentre dans ce qu'on peut aussi qualifier d'exécution extrajudiciaire. Des infractions existent dans le code pénal nigérien, dont leurs commissions sont passibles des mêmes peines que l'exécution sommaire. Oumarou Gajere Bilal, substitut du procureur, explique. Dans le code pénal nigérien, il y a un certain nombre d'infractions qui sont constitutives d'atteintes graves, euh, notamment euh, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et les génocides qui sont susceptibles de répondre euh, dans certaines circonstances euh, aux critères retenus donc euh, par la définition des exécutions sommaires. Ces infractions sont passibles de peines criminelles et peuvent être revues à la baisse pour une personne ayant agi sous ordre d'une autorité au vu des circonstances. Le génocide est puni de la peine de mort. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, donc ils sont aussi punis de la peine de mort. S'agissant maintenant des crimes de guerre, c'est là que en fait euh, il y a euh, pas mal euh, de nuances parce que non seulement les éléments constitutifs sont variables en fonction des circonstances, donc toujours selon ces circonstances, les dites infractions sont aussi passibles donc de peines lourdes dont effectivement la peine capitale qui est la peine de mort. Les sanctions liées à l'exécution sommaire sont des infractions passibles de peine dont le minimum de la peine ne peut être en deçà de 10 ans selon le substitut Oumar Gagere Bilal. Une personne ne peut pas se décharger parce qu'elle a agi sous l'ordre de la loi ou sous le commandement de l'autorité légitime, mais il peut arriver que la juridiction apprécie de par les circonstances pour apprécier la peine et dans un sens vraiment de la revoir à la baisse au lieu de la peine de mort qui est normalement prévu. La juridiction peut descendre jusqu'à 20 ans. C'était la rubrique hebdomadaire Justice. Mariam, nous allons encore une fois de plus consommer de la musique. Cette fois-ci, nous allons savourer le titre Kurba Kurba du groupe La Kalkanei. robo kuruba kuruba tasuza kai kogere batu para warka uya kuruba kuruba nirga sokte kimdimiza sino masetari nirga sokte bakul no ga sokte baba lava kitama vai ingandra kuruba kuruba nyau tinna wani gunda matuna piao lama kaila lama kuku makama magon magona makama makama makungu guna tasu tasu matasu wani gidama tasu chine zama tasu kuruba kuruba tasu yo tasu walfuka

da cibiya da shi da shi da nyama kulla nyama kulla nyama kurba kurba absa nyama kurba kurba kama hura da nauna we are the rosa fina directly in the ghetto the king of the fuda fuda of the king I'm a one on my one the top of big the top of kurba kurba is the fuda creation in the Niger came from Africa Aremu mila sande kala wala haini hauru mati fala sala kase hare galala migini migini chappi chappi lapsi lapsi chap yo migini migini chappi chappi lapsi lapsi chap yo migini migini chappi chappi lapsi lapsi chap yo ama iyo ache iyo sada iyo likulu kula amba soita nasu ne nasu mbuko namu ne namu sutaide nasu ne nasu makama koi makama koi kaka koi كني منى ده علمي waka نواقع سواقع علمي تارة ilmi علمي كلهم تارة ده علمي كي علمي علمي علمي وان ده بيد علمي هنا زي واقع avec le mic Le bon message passe par de motif public attentif On ouvre la voie pour ceux qui n'ont pas encore de voix Les boss des boss qui votent deviennent les big boss des boss avec Java Mr. Beast il s'en fout Dini Noura Noura Dini Diable Noura Dini J'attaque le lacal, le canet Le canet, le lacal yo man Lacal canet est dans la place man après cette pause musicale, la chers auditeurs, direction Zendera pour l'écho des régions. Dans la rubrique écho des régions d'aujourd'hui, il sera question de l'appui qu'a offert le ministre du Tourisme à la région de Zender, victime d'inondations. Il s'agit d'un don du ministère du Tourisme remis vendredi dernier au sultan du Damagara, un appui financier de plus de 5 millions de francs CFA. Cet appui servira à la réhabilitation de l'ancienne mosquée du sultanat effondrée suite aux fortes précipitations en début de ce mois de septembre et d'aide aux sinistrés des inondations. Le reportage de notre correspondant des Zender Ali Keita. Cette année, pour des raisons d'inondation, l'État du Niger, à travers le ministère du Tourisme, a décidé de sur certaines de ses activités pour mettre les fonds à la disposition du comité chargé de la gestion des sinistres. Cet appui ira donc aux sinistrés et à la réhabilitation de l'ancienne mosquée des prières du Sultanat, selon Anafi Suleiman, SG du ministère du Tourisme. Nous avons voulu montrer notre empathie avec la population qui a été éprouvée par les inondations. Mais comme nous sommes un ministère du tourisme, nous considérons le sultanat comme un lieu de mémoire que nous, pour lequel nous invitons le monde entier à venir découvrir ce que l'Afrique avait bien avant que les colons ne viennent essayer de dénaturer. Et pour nous, c'est un site touristique important qui a été éprouvé lors de ces inondations-là. Vous avez vu la mosquée effondrée, qu'elle a 200 ans, laquelle déjà nous l'année dernière on l'avait inscrite pour une réhabilitation. Et cette année, même le sultanat lui-même est touché et la partie la plus historique avec nos modestes moyens que nous avions prévus pour faire cette fête-là, nous préférons remettre la somme de 3 millions de francs CFA à son, Altesse euh, le sultan du Damagaram pour juste une modeste contribution aux efforts qu'il est en train de faire pour réhabiliter cette mosquée et en même temps montrer notre compassion à la population du Damagaram en remettant une petite enveloppe symbolique de 2 750 000 pour l'achat des villes. Cet argent-là sera euh, viré directement sur le compte du comité chargé de gérer les inondations. En réceptionnant le don, le sultan de Damagaram, Sa Majesté Aboubakar Sanda, a, au nom de toute la population, remercié l'État du Niger et les ministères du Tourisme en particulier pour ces gestes louables le sultan du Damagaran, Sa Majesté Aboubakar Sanda. Au nom de toute la population, en tout cas du Damagaran. C'est vrai, puisque c'est un site quand même historique. Quand on regarde en tout cas euh, nos coutumes, euh, il faut quand même essayer de voir et faire quelque chose. Et Inch'Allah, nous allons faire quelque chose. Nous allons essayer de voir, restaurer en tout cas ce palais et aussi en même temps la mosquée. Et je vous demande en tout cas de transmettre euh, mes remerciements en tout cas au ministre et à tous les membres disons, du, du, ministère. Le secrétaire général de la région, Mohamed Moussi, s'est pour sa part réjoui de la réaction du ministère et cette marque de compassion à l'endroit des sinistrés et de la population des Anders. Cette initiative de sursoir aux festivités de la Journée internationale du tourisme pour, pour, venir en aide au sultanat des Anders euh, et à la population sinistrés des Andes pour accompagner à réhabiliter ces monuments historiques du sultanat et accompagner la population euh, avec des vivres. Cela euh, justifie euh, à tel point que les plus hautes autorités du Niger sont très regardants par rapport vraiment à la situation que vivent nos populations des Andes. Un reportage signé Ali Keta rendu au studio par Tarnar Foudey Ahmed. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure pour nous d'attaquer notre chronique sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour Adam. Bonjour Rabi, bonjour Mariam. Bonjour Adam. Alors, Adam, nous allons directement à Matamei dans la région de Zender pour la fin du tournoi des grandes vacances organisé euh, par la jeunesse. Il a pris fin le mercredi au stade municipal de la ville. Deux mois durant, 17 équipes se sont affrontées et ce tournoi s'est achevé sur une note de satisfaction générale. Les deux finalistes se sont départagés au tir au but avec la victoire de Itap sur Tottenham. Suivez la réaction du président de la structure organisatrice, Abbas Yehouza, au micro de notre correspondant to muna yi kowa da kowa fatan alheri wanda suka ba da gudunmawa da jikinsu da aljihunsu to muna yi kowa da kowa fatan alheri kuma abu akwai kurakure da yawa da ya faru a cikin wasa wanda daga farkon shi kawo yanzu to kan aka ce ta al'umma sai hakuri wanda aka saba a cikin wannan lamarin ya hakuri muna neman gafara ga kowa da kowa Adam ressemble toujours dans les cadres de tournoi de jeunes, mais cette fois-ci à Niamey où il y a les finales du Festifoot. Cela s'est passé ce week-end sur le terrain Fignap du quartier Bukoki. Cette rencontre sportive a réuni les moins de 13 ans et moins de 15 ans de la capitale. C'est le Sahel Sporting Club qui a raflé tous les deux trophées sur son passage. Chez les moins de 13 ans, les, U13 sahéliens ont réussi à arracher la victoire 3 buts à 2 lors de séances de tir au but. Et chez les U15, les jeunes sahéliens ont battu Quaracano Academy sur le score de 2 buts à 1 dans les temps réglementaires. Ainsi, les Sahel Sporting Club U13 et U15 ont respectivement remporté les deux coupes. Pour finir, euh, restons toujours en football pour parler du MENA National A. Il fera sa deuxième sortie dans, dans sa série de matchs amicaux. Eh bien, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, l'équipe nationale du Niger fera sa deuxième sortie ce soir au stade général Seni Kunte de Niamey. Les poulains du sélectionneur national Badouzaki joueront contre la sélection des joueurs étrangers évoluant en Super League du Niger. Chers auditeurs, c'est la fin de ce premier numéro sportif de la semaine. À demain avec Asumi Grouza. Merci bien, Adam pour toutes ces informations. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, Mariam? Oui, Ravi, c'est l'heure du portrait du jour et nous allons vous présenter Aïssatou Awadoum, enseignante à la retraite et membre de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme depuis 1991. Elle est engagée dans la lutte contre le violence basée sur le genre. Voici son portrait avec Salamot Kadri. aisat awadum mantikala izugunyano a gwanda jiru waidu da hakku a sin kurnye kurnye cewandi kono a wani antar yanwo banda a furkun da fora kan gatangan muna da mai alhakai sai kan sai igane a nddh wadin banda a gokun da fora mo kan gatangan da kabu futa kan igite wai irin hangan ma a tarifo a nddh igita maza kadarin ta ansu ne gwara a ite president za 2006 kal 2021 son igu a nddh bureau national niamey igide place koi ay cadre de concertation violence faite aux femmes ay cadre de concertation régionale par rapport à l'insécurité ay go ONG fo kai ne cadre du comité d'appui au développement local ay go mata de matasa an tankan en ya temps superviseur terrain wallahi watan ga mu kai go ni di borbo bu ay go coordinatrice violence basée sur le genre zamai man wodin cin de da wai bare gonda masala ikka ikace se bonga da bayra ay da kurin yaino da hanzura yaino da armaino ay giran irin irin ke cike sasbande o ka o hankan bisiro no zamdi ni bora karwali ni bora kom wanda mata sanni no kirgi ni danga bon ay giga ay mi plentore di je sai mi assiste mi accompagne kala au niveau de la justice zamno de mbombo justice ay gondo go zamay wo défenseur commis d'office no je roule je roule d'un avocat mais non n'est pas avocat professionnel abdul rashid jibbo mantikala aisata wana manu ane an gona ga makani da goye kan ga wana kayo gona ga zama ane agowai bore kan gona ga tangam tilberi gandasi to hankai gingi ciyani sabon da ita kan gurwan garin zama yi wasu yi singa ba bai domin karago e kunda ya na ga intervenir c'est sur la sur les violences basées sur les genre formation tout e kul kan yi bare hayo ga yi mi ala kai tai se ga intervenir nodi e eh, e kul kan ti formation harka gwara formatrice no encadrer no e ga ti wallahi a goda almiyaru hausin normal na gukwai zam da kwai a yin goyote am kawo ni sigan jakan famiyora ingi zai da hami watkul salmare normal problem si mine akwai bare gocer wa wale fono da kwai matka din windo na ya ni windo agagada ya oken problem da ya kamo alhamdulillah aka ga gwedin windo sitin fam batant rien à sinde kurka sans windo ra ma window ne le le quartier même a tira beri mko ha mai ta aisata wadu bukan ha aiki ne sai burkan aisat awadum a gonaga tangam wai bara ya yadin mono a gonaga wai borai zuga imutunga kan ingai bonga gadi ingai bonse irma hangan to ai wace yan kango kango sai dai no ta wani wani ruwai bare irhim kai no ka tangam dibor ne ni ba ni himando niskan ne daro bo imajar kan dan se. yimande wo bor no gitan gam gudu wani bonsi le sarash afu rash afo borai mu kai gingai bon kai inda gice ci gingai satai e sokon kan gane im kabdan char kan bara e sanna im tafo i e, waf kai im tafo im do char bande wodin gano i e, hin gingai bumbu gutun gingai bon arzaka ceci zamoy bor wotan ko en sinde bon arzaka ni si sawar ba alborno din la sabu da sin dinga bon azaka sin da haikul ba anga gatu windo albero a si saware din sin din kamal zaka mo irim di fo no ne way bare e politik ni jar way bare tanga fa politik ngai no kowa ngai no mote bon kare ngai no kampani amma kan sin dir bon alzaka kan ganin din ni da kandidatire gisi irin mu haifote irin mu dugir kampani tin ni di irin mu plasian plasiyan ne ayi wayra eh, gwamnatora wala assemblera zam sin sene tanke we borwo tuni pa autonom ni sinde kamba arzaka ni sini ni wono do no bon bor duwon ka kadedin gonda bon arzaka bor bon dura kadedin ni cece bor bon dura kadin gwanda kokari kadin gwanda bore yadda ka ga yadda da bore sanne wajen kul har yanno kai irin salon wai bare sai ibo abanda fo irin ne sakulla kan gotil be region ne nim sida a zamir wo wai bare yanno wai mm, eh, malfa sambo koi wongu walir siyakin da ke irga ni dirga ka sine hanna kuddumi zamir no da yebo yi faraira no kyabai do no irin no bai sanne kan go guzurgu winda bore da kyara gamara irin nuwar kuryar wonnore kurñere wonnore isa ir wonnir armay halne dini izona alhaal barmay ni kan kanti ñogo woni kanti way mani himga ceciga bay alhaal fo da rana go mai nan ganda go gandago gana zaman fo gani yungo dinno kan diga masala ndi wadin kulu irga sinano kai kan ir kan ga dirgumo wai bare ir no ga talle ir no ga nerandi bore ka ngwa da irga bora la bundin lakale al hal fo dimno bora se borno kan ag him bollal wal borno kil lakale mar kanaga borno kil signanaga ir hima ir mkoy gire sanno ci irkure ko ise mai gorose walir mutoda da soje do ngai wogo bai gite gudu bara wal bai bara barkanno to ndi wodin kulu irgo go bongo me no wodi me bakan sirsin malfa irgo go tangam hakan lakra irgo go tangamo zamir yamar irgir kurnye yamar bor mo bon ba ga bisa bor fo ru he gan ga semo ngudu noro sartin ngudu din un sino wi kwara me goro a tarba e, mero wi wali ne tar da kan han fo igini igini mowi zamdi man ni igini nya wi wali man ba wala han kan hani i murada ite ibanan din ga igini wi mi ya ni gani man duwar zakfa dinga mila arzak zakfa non du mata fal non ya din mono a gona ga jinda dantil ber ganda wai bore kul ga imtunga tunga kai ga tangam kan ganan dai la kalkana wo am yi ka tilbir wana gandara C'était le portrait du jour. Repartons en musique avec le titre Clique sur J'aime, une collaboration entre Bloc NCC et Lio. sur le banc d'histoire La les j'ai et sodomisé, misé toute ma life dans le rap. C'est pour ça mon flow fly comme le fils est brisé. Tous ces fils de pute qui veulent dans mon succès puiser. Elles sont toutes affolées par mes cheveux défrisés, épuisés par les crochets. Look ma crochet, le flow malsain. Depuis mon entrée en studio, les rappeurs deviennent méfiants, stupéfiés. C'est l'étoile, moi je brille. Je suis la nouvelle légende, appelle-moi le monument. Tiens mes soeurs de reposer que j'aime, pose une lever, c'est ma clé. c'est promis, culture rap représente, NCC c'est dans les gènes, HABIB, si le rap était un because of gangsta. C'était là les titres Clica sur J'aime Arabi. On passe au lot du jour. Oui, Mariam, parlons des enfants à présent. À un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Pour en savoir plus, je vous propose de goûter Fantachamsu et Rekia Arimi. affairage, affairage, affairage. courage ma chérie, c'est toi. Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque deux ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane, comment il va Il va bien, je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Vraiment. Donc, tu l'as laissé avec son papa Son papa non, non, non, non, non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la fatigue à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui Tu as une nounou hum, Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc je l'ai laissé seul à la maison. Seul Ridouane qui n'a même pas deux ans. Hey, eh, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme cela, là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Inna wa inna ilayhi Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête Tu es quel genre de mère même Moi, tu paniques comme ça Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison Ça ne fait rien mais... <laughs> Hum, j'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre, à chaque fois, il dort à point fermé. Mm. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, hmm? tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends Tu es courageuse même. Oma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Hum. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hé, eh, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut être être seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique C'est quoi ça encore Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie, ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. subhanallah, subhanallah, Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses. Ou bien trouve-toi une nounou responsable carrément. Voilà, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrais terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridwan. Oh Allah. J'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. préserve ton Ridwan. Taxi, Amin, Amin, Amin, merci. Omar. Taxi, taxi. Harobanda. auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira pour la culture linguistique en anglais et en français. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture linguistique. Par sa résolution 71-288 adoptée le 24 mai 2017, l'Assemblée générale des Nations unies désigne le 30 septembre comme Journée internationale de la traduction. Every, every 20 September is celebrated the International Day of Translation. Nous verrons ensemble les contours du mot traduction. La traduction est l'action de transposer dans une autre langue. Traduction en anglais veut dire translation. Translation is the action of translate word or text from one language to another. Let's take an example. She is working on a translation of the novel. She is working on a translation of the novel. Of the novel. That means elle travaille sur une traduction d'un roman. The books, the book loses some things in translation, qui veut dire que le livre perd quelque chose en traduction. La journée internationale de la traduction est l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. International International Translation Day is, a, is an opportunity to pay tribute to language to language specialists and highlight the importance of their work in uniting nation, facilitating dialogue, enabling understanding and cooperation, fostering development, and strengthening peace and security in the world. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time, same time, same radio. Merci Samira, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble le message vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nina Hamza Studio Kalangu muna jin daɗin saurare saboda shirye shiryen su muna samun labaru na cikin nijar duk abin da an kai sosai da lokaci ya muna bin su so da kafa muna saurare saboda muna jin daɗin labarunsu sosai ma muna samun karuwa mu je da labarun mu nan nijar mu take ciki shi yasa muke sauraren shi sosai na ba mu labarin ƙasa sai mu je kamar ɗibina muke ba mu shi komi amma ko muna cikin gida da mun kamo zai mun san labarin ƙasa wadda ke ciki gaskiya shirye-shiryen su muna jin daɗin sosai allah ya taimaka allah ya ƙara musu ayyukan su inganta sosai Assalamu alaikum suna na Malam Abdul Farzan na asosiyan ta Donar da San Reshen Gunduma Arlit. Eh, Radio Kalango a kodon lokaci duk marece na Allah ina sauraron su ina jira gaskiya duk a cikin kasar Nijar kowace department kuna da wakilanku. Bon final de cette édition, De Niger sur Kalang. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Mariam Adé. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Pour ma part, on se retrouve à 17h pour la grande édition du soir. À la technique, c'était Mustafa Ayouba et, la et à l'édition, c'était Moussa Hassan. Bonne début de semaine à tous.